bi mu fi nekkee ba léegi nu mu doon liggéey ak Aliou Cissé liggéey bi di vraiment di di ñëpp di ko saluer. Mhm. muy am ay haut et des bas malgré tout xam nga ñi ñi ñi ñi répondre aux attentes de la fédération. mais gis na ni euh, depuis le match contre euh, le Cameroun match amical bi ñu football euh, fi nga xamante ne moo nekkoon Lens il pense que il ne se sent plus utile. parce que Aliou Cissé est sous influence. Euh, de l'extérieur des déglu ñeneen parce que même mise en place tactique d'Anion Djubo qui a ay positionnement yi daañoon juboo si choix domi mais Aliou Cissé c'est na ni euh, mom mënoon la bopam d'après euh, euh, entourage qui qui nga xamante moy Régis Bogar parce que mom entourage moy mooy entourage Aliou Cissé ñom ñoo bokk ay xarit Sénégal donc ñom la waxtanal ñi xamni vraiment il faut il faut commencer il te dit je suis malade je me sens plus à l'aise et tout mais en réalité ce n'est pas ça. Mm-hmm. en réalité c'est que moom ak ils ne sont sont plus sur la même longueur d'onde Lol ce que mu préféré mais apparemment l'information a fuité depuis un bon bout de temps. Mm-hmm. ba ngeen donc nous euh, gis ni euh, ci dernier match bi passé le Sénégal donné def match euh, de qualification ñi gis ni ci la information bi mais est-ce que loolu du tamit résultat yi nous avons def Coupe d'Afrique passé parce que ku xool bu baax Sénégal on l'attendait encore plus loin la Coupe d'Afrique bi même su la Coupe d'Afrique bi mais ñi gis ni dañ leen teel est-ce que loolu tam de ci raison bon effectivement même Coupe d'Afrique le Régis xaw na am xaw tout jàppante ak Cissé choix c'est tactique parce que moom euh, bu ñuy waajal matchu qui euh, di euh, contre Côte d'Ivoire il y avait eu un débat très houleux dans le staff technique. Mm-hmm. xam nga ñun nag yàlla def nañu ni dañuy am information mais comme je le dis tout le temps dafa am loo xamante suñu responsabilité Là, mm-hmm. te euh, en pleine compétition y y une information yoo même Boko Amé, amee bëgg mu fuit fuit fuit fu mhm. pour ne pas déstabiliser l'équipe en réalité Régis Bogara ak Aliou Cissé staff bi de façon générale dañ ont dit si nous ñu mën contre euh, la Côte d'Ivoire mhm. mais nous, parce que Régis Bogara a na ni le 3-5-2 qu'on a joué contre la Côte d'Ivoire waruñu ko d'autant plus que Pape Gueye mi nga xamante animer euh, système bi nekku fa. Mhm. donc Aliou neko non gagné nañu nos trois matchs contre la Gambie contre le Cameroun et contre la Guinée ak système bi système boobu lañu wara tegg mhm. Régis bogar maintenant comme Aliou moy patron il a cédé mais quand même je peux vous dire effectivement que ça a été un débat houleux euh, seeni seeni seeni bir donc mhm. euh, comme je le dis aujourd'hui c'est regrettable Régis bogar moy dem parce que effectivement tout le monde je pense que Régis bogar c'est la tête pensante de Aliou oui la tête pensante de Aliou Cissé on peut le dire parce que a ñaar yàgg nañu liggéey mais mën hmm. mën nañu xam à peu près lan la indil Aliou Cissé qu'est-ce qu'il a apporté de plus à Aliou Cissé ba instant bi euh, départ am war a a peut-être déstabiliser un peu équipe parce que yàgg na et hmm. appui la ci hmm. équipe euh, nationale du Sénégal. Marceline il faut dire que euh, Régis Bogard moom ak Aliou Cissé du tey. dafa yàgg bi Aliou Cissé nekk tout tànk mu ñëw centre de formation Lille que Régis Bogard nekk encadreur foofu papam nak di jël ko des relations euh, plus que fraternelles pratiquement mën nañ wax ni famille entre doom ak euh, papa mm-hmm. euh, d'ailleurs le premier match de l'iris Bogar avec l'équipe A du Sénégal remonte au 29 février 2012 à Durban mm-hmm. en Afrique du Sud du Sénégal du football avec Afrique du Sud match amical match boobu nag fait que Euh, kii di euh, Amara Traoré woon nañ ko fed fekk fédération signé contrat boobu ak euh, Afrique du Sud ne ñu ne léegi foo Karim moom moo waroon yóbbu équipe bi parce que moo nekkoon entraîneur U23 yi léegi nag comme Aliou Cissé moo nekkoon adjoint te naturellement Aliou Cissé ak Chris Boga te intimement lié mu indi ko donc je pense que aujourd'hui Nous xam Régis Bogard c'est un universitaire mhm. donc euh, il a une formation universitaire très poussée c'est quelqu'un qui nga xamante tous les rapports euh, d'après match et tous les rapports d'après compétition mon donc euh, euh aussi c'est un très bon statisticien donc pour vous dire quand même que euh, départ au forcément nous ko ressentir fi nga mon staff technique parce que effectivement mhm. depuis 2012 bi aussi Cissé euh, Sénégal pour euh, euh, entraîner les différentes équipes nationales que ce soit entraîneur adjoint au niveau des espoirs. Mhm. équipe nationale A je pense carrément que Rizzi Bogar a toujours été là match yi mu perte mooy match yi ma la wax contre Algérie fii match yi nga xamante ne ñëwuloon mooy match Algérie à Dakar. Mhm. parce que il était il était souffrant et nag il a repris du service après te je pense que c'est il a été un bon lieutenant pour pour Aliou Cissé. certes il a pris de l'âge mhm. certes l'état de santé n'est plus à son niveau. mais mhm. euh, xëy na euh, li mu a apporter équipe nationale ñu bëri mënuñu ko apporter en ce moment qui est le potentiel remplaçant Si c'est pas Tchao, euh, qu'est-ce qu'il peut apporter à l'équipe nationale du Sénégal Bon, il faut dire que Rosy au-delà de sa, de sa discrétion et de sa constance, sa fidélité, je pense que, comme je l'ai dit, eh, da doon teg Aliou c'est dans le droit chemin mais beaucoup l'a dit da leen nan am de lu qui li nga xamante ni euh, naxarul na bi mu Sénégal mm-hmm. effectivement duko wax publiquement mais même le fait que nous avons traité à la Coupe du Monde 2018, où il était l'adjoint numéro 1 de Alou malheureusement, durant les matchs, même si la donné Omar Daf nek que mhm. Donc lolo aussi euh mais daf daf daf ko ci daf donc frustration aujourd'hui comme je l'ai dit, il a beaucoup apporté. Et avant de voir Tchao, je pense que Teddy Pellerin, mon préparateur physique ou équipe nationale Sénégal, mm euh, une aptitude coach aussi, mais il n'est pas coach carrément, mais je pense qu'il joue un rôle prépondérant aussi aux côtés de Alou Cissé. Lui aussi, on a failli le perdre à un moment donné, mhm. parce que euh, euh a Ali Logique, demain, il faut maintenir moi euh, Maroc. Landry Chopin Landry euh, Landry Chopin wa mom la moom mooy xaritu benn bakkanu rés euh, Teddy Bogar, mhm. convaincre nako pour mu dem fekk len fi nga xamanteni moy Maroc pour bok si staffu technique Maroc bi mais nak Aliou Cissé mon, waxtaan ak mom ñaan ko pour mu tok puisque sumu nañu liggéey bo xamanteni ne liggéey bu am solo la donc euh, mu dal di tok comme je l'ai dit l'un dans l'autre il est parti et pour revenir sur Pape sur Régis Bogar.